Bonsoir et bienvenue sur Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Cette semaine, nous partons à la rencontre des jeunes professionnels des médias qui tentent chaque jour de faire leur mission régalienne, celle d'informer d'éduquer, de sensibiliser et de distraire. Selon le Conseil supérieur de la communication CSC, l'organe de régulation des médias au Niger, l'annuaire de 2020 fait état de 236 journalistes détenteurs de la carte professionnelle de presse. Nous les avions reçus en première partie d'émission avec Rabi et évoqué en général leur motivation à exercer le métier. Être jeune et professionnel des médias a des avantages, mais aussi des inconvénients dans l'émission Tous à la Fada de ce soir, échanger de suite avec les concernés, les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Comment est-ce que les jeunes des médias s'en sortent C'est la question qu'il faut se poser. Si vous voulez le savoir, suivez le fil conducteur de notre émission Tous à la Fada, dont la thématique porte sur les jeunes dans les médias. Quelles contraintes et perspectives dans l'exercice du métier On en parle tout de suite et maintenant au cours de 35 minutes de discussion, échange, musique, chronique et rubrique. Tout ça à la fada, mesdames et messieurs, pour participer à l'émission, envoyez vos commentaires au 80 06 54. Sinon, Dondi est déjà prêt. Léo Razak opérationnel, 000. Et aussi, ok, il faut dire par là que Awaou et aussi dans la place, Mr. Baby Philippe, pour vous dire que c'est mes très chers collègues. Je n'ai pas de besoin de poser la question à savoir à qui avons-nous l'honneur. Si vous êtes OK, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, amis, animateurs et journalistes, on peut aller D'accord. Oui. Les jeunes dans les médias, quelles contraintes et perspectives dans l'exercice du métier C'est le thème du jour sur votre émission tout à la Fada. Comme je l'avais dit à l'instant, nous sommes avec Sami, nous sommes avec Léo Razak, nous sommes aussi avec Awaou. Nous allons comme ça avec nos premières questions. Qui est considéré comme journaliste professionnel En l'absence de la carte professionnelle de presse, est-ce qu'un journaliste est considéré comme professionnel Sans journaliste a dine journalist to halin profession ton traga to ai wogini kan burakan na uh, go sambu dai ga te inga goy kan na te inga profession ma kan go ga gana matakan ihimatanda swat kan ko ga chawon te wal kan gonda a formation parce que ba de mon ko ga chawon te ayin te ambra ni na formation te nangu fo ni duwaga bere ga tonton in famandi in bongo feri faman ni ce matakan no a kamata ga teda to boradi ne kan a banga faham kan du tira wal kan du bere ga tonton kan du bon fere harobon kan goga temo matakan i da matakan ine ni mu goyo teda ne mu koga wani ce ci fonda hannara fonda hannara kai na oh. zaku kai kak oh, ai mutuwa wawu do awawu Quels sont les avantages à être professionnel des médias pour un jeune au Niger To avantages ra da gini gini kan borai ni gadu eh, barkan yaran da gicar bai gumu borai gin bai gumu iga dinin telara wali gima di mm. kubandini fonda bo eh filana no ya eh filana no ya han fondin goga doga ne foyin non gucin din banga furu din bai kulu iga haya doganan dinsi o iga falan dinsi zami gin bai ga dinin telara a godin mo ga diga duga sine hare mm, nyano katebo neno no gogo gom de bab de sizo samira en général quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier qui pourraient vous freiner dans votre travail Sur le plan professionnel les sur le plan socio-économique parce que du problème gonol fakir ma bonza da sin mo agogo ko tudu ruwatara mu cirse comme ça le problème il faut moi. da gono mo irma akul kane gusam samir nargo maison de la presse argo go fo sanni peinture bleu bleu no fenêtre ga ergo ministère de la jeunesse moi no de nos maison de la presse wana annexe donc da aran din katigi salan formation mun boni gote ray ginga ba manisi emiro problème den nor baram ci dagon to sandai kan irgo di iga bagumo ah eh aga ne jeune journaliste hmm. le fait que irgo fokta giyanno mm. wadin ginan bure kan yanga yara igdi kan maze x wani walmo matakai ininga idon nan din da irgo suwana surtout di bai kan ai wai man ifti ai man te ifti ai man journaliste ke wente formation en no aidu ingino nan ifuraga e matkan de leo razak ni chida sonda ne kan de borne fondi en gan moni ginga mecha exercer ban man koy la kol kanga journalism chondi an Ya yadin ne gomo gogo bor zamir gogo diyan kan no gogo <laughs> yadin no ta wadin ingino ti sandai sintina mhm. hin kan mo. mm -hmm. eh dabo gogo han fo yang problem yang din ka fugo nin din nin din albere gamara mm. wal mo dabo ga fa voilà voilà boga dagan du problem kain fo aginga wadin utiliser contre toi kanga na asinogoy voilà asinogoy bobo ni dai ne akan siba kan kanin se parce que arrivé à un moment kan ne est-ce que man tay goyo nanu mm. zaman sigma ni goyo radin tun suba radin fon kan tu dois aller travailler ni bina kulga sara mm. wadin wa askanu fisbillah ta wallahi maran taram du gobo zam journalist so ade bina si kanu ay shibal gogo wisi na kasan difa kayne leo razak qu'est-ce qui explique certaines de ces difficultés professionnelles dont vous avez parlé quand je dis vous, Samira, à l'instant vient d'énumérer quelques difficultés sur cette émission. Alors que

sin da fondo fa ham foyen ba ifo no go go ne o explique difficulté o masala bobe o kul kan noar go ni bay mo ham foyen eh, bor foyen go no yan igite han kan siya usan ke gane wuce gona da iri mai no ya oh. igoga a ni bay han kan man kamata gani man kamata te paske gora bumbu mm. har go no kan faranski ni ga igane ethique et déontologie to ni bay ethique ko ni de déontologie ni Din sibai hankan tiyadin, din sibai nan Parce qu'on dit souvent que euh, ta liberté commence ou euh, termine là où celle des autres s'arrête ou commence. Tout à fait. chose comme ça. To, din man bai nan kan non, euh, din si déontologie de éthico bai, on nisi, nisi fonde gana, nisi respect. Mm. Asite. Maino bora amkaden yoga me. Attends. Claire <laughs> Semoudi. Claire Donc, voilà Azimou. D'ici. din si gan matakan ni kama tigi ganan da asi teme to bone o isibe kan wodin gonu bun gonu na sin ga beka ga gonu no oh. fonda ga to bone o isibe kan wodin gonu bun bore ah. o lalle ig bai kan ga gonu i wangi daino o hanga dai kware zo no goyi. ga izi futarai kaina futarai beri ma kai beri mun bo <laughs> izi futu donc <laughs> o kan ka borga la bonon ti dingo se kibino san no di à <laughs> l'instant, mesdames et messieurs. Alors, Waouh. oui air gabay mo kan awawa energy de power no gas tout à samira kande ngay gin boray eh awa ego eh, ganganis irmu fatta bureira to irmu fatta chef energy kay sanira to irmu fatta bata boba kan aran sigru sanira to son dir fatta tare en tant que woyboro ni turru ni fattani ne mi kura sambu ni koy tare socialement sanga contact kan ni gudu dubore problem problem fodu manu arangudu zama e ne boran zani kani no mikro ne gina har no wanda wani no wano wandino ni faman kai goci ni bina ka tare si ai faman kan ni bani mici o wadin o bai kulu da dai ni go fatta koy ni ra ni go fai kuban dubore dindimi kan yangin ha mantikul afon isi bai no gabai din hiji ga bai din man hiji ga bai zama fatan yau kan dim nigte gana im bor fo mu fahamu ni wo barkan kan dimino mm. amma wadi kusi ganji kal dai di ni ha wal ni musalan de bora ga ba amne ne ni min gano wo son lamba en ma lamba lamba wala za bo do bora ran bor ga lamba mais son nu tela ra ir ga bai kan ga presenter journal télé fobon. son journal o presentin ngo a sigi kandini se masala misali ga uh, kwarara borai sigi kamba zotin ga gane ya cin ya cin no naga ta eske ni gogana gote matka himanda wal eske na arwoso wal nukurnye a sate problem eske alborfo ihinke ihinza gandara ge zarira ame ah, parce que an fo ni oh, ni bora yo ayo no me borengi di fa borengi di ni telara oh isin bai isin da contact mu da nin amma iga du barfo kan iga bainan kan ni gogo iga gana gin lamba ta o gine imino lamba mm-hmm. afon zi mani han boy ko gin lamba no borase me afon ga yegin ha gane barfo yakin nay min gano lamba mm-hmm. ai mu no walai musino oh. don afon mo kaddini na ha mm. to wakan ni ha mo hal bor abu su wal bor kunyi bar kan nin ni goyora mm. ni goyora na nin ni koy ban ga chawo te zama kanin sisi est ce que bora gonde fondu amu wonji ni min gote mat ka kamata fon dafa bayni kele kando nudu problem wodi yang gonde kan ay wo ay chor kan mbono de roba se a banga na se goyuti to ne asi fondi mi ifose am bor hanno dodi no kan da gere kul kan go mil. bor yamu mo goy kur dimrani gidwa misimil hal kan da bor go gisalante lara wal bor ga fatak koy ni godo hala iz fut fore ranu ni go a jina harara da bor gis futarate kai ka oh. samira no wande chira no ni kai mo bor kai nu soy men ha goyo wora problem fo duma no go kan ka biraira to so, problème e degi ti dabo koy tera ngo bon mm. han fo yang

wadin gana im profiter din wangi après din bani min gote imne isi répondre ni se walni gi ce isambu zaka inga yo murado sigite ni wono mo site L'artiste s'exprime, une rubrique de l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Et l'artiste s'exprime est consacré à l'art et à ce qu'il pratique. On kiffe tout de suite la suite. Hey. Ikat kuri da digi tanta balma gobiri inkini ina figi fonda bindi bi, kota galala amma aina sigi ai manti falawo azima tari kot kot kota keri ai bongo feri sama yana baba na samu nigérienne, nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Daré dans Agia s'exprime. Et vous, vous rappelez certainement le DDH Daré dans Agia. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim. Dareda Ajia a commencé véritablement la musique en 2007 pour rappel. Dareda Agia est beatmaker, réalisateur, cinéaste, artiste chanteur, musicien. Il touche donc à tout. Daré dans Dondi la machine te souhaite la bienvenue. Merci Dondi. Hey. Et aujourd'hui sur cette émission, nous allons parler, euh, n'est-ce pas, parce que hier on était avec le parcours en question du combattant. Aujourd'hui sur cette émission, on va parler un peu du contenu de Mr. Dari. Qu'est-ce que Dari nous a déjà proposé de 2007 à aujourd'hui Mais c'est de cela qu'il s'agit. Ouais, de 2007 à aujourd'hui, vous n'êtes pas seul à savoir que je suis le seul artiste nigérien. J'ai dit et je répète, le seul artiste nigérien qui n'a jamais tapé poteau à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, tu fais déjà notre fierté. Jamais tapé poteau. Super. Tu as chanté ma après ton bail. Mais ouais. ma, ça donne quoi déjà Halanan ko gida ma. Ina ado andi mi mi di ma. Mi do dogo berna ma. Kede kika mi saura a rayuwa. Kenan da ci hala bada bada mantawa. Oh oh oh tunda na rasa aba. Wa wa wa. Inna na ta damuwa. Alors, ma, moi c'est personnellement un son que j'ai kiffé, c'est un ouais. son que j'aime. Ouais. Parce que quand tu chantes ma, euh, euh, je pense aussi à ma maman. Quand tu avais chanté la chanson, c'est vrai que toi et moi ne se ressemble pas parce que tu avais déjà perdu ton papa. Mais aujourd'hui, toi et moi, euh, je pense que c'est la chanson et ça me touche directement. Tu Et c'est comme si c'est moi qui l'ai fait. Elle, est là, elle va bien, ma maman, mon papa n'est plus. Donc du coup, euh, le chant, c'est pour tous ceux qui regardent cette émission, c'est pour toutes les mamans du monde. Alors, Daré, en dehors de moi, tu as chanté toi-même. le son qui t'a quand même euh, euh, Pousser à, au sommet. il faut le dire. Hein. Parlons de Tobay sur cette émission. agana aigana sebere tobai agana se kaina tobay ba ni ga kana ga foi chottaraino shi fa abokinka abunda da dan uwa bai maka shine zai maka chottaraina shi fa abokinka

Oh, un album déjà disponible, deux albums disponibles. On va parler donc déjà de cela. Le premier Venista, c'était à la musée, ouais, plein à craquer. Je me rappelle très bien de cela. À, 21h. 21h, tout était fait guichet fermé. Oui, on a vendu les souches, tout. Tout, tout a, été vendu. Même derrière les souches. Quand on a laissé les gens rentrer, il n'y a pas de place. Ils ne peuvent pas rentrer malheureusement. Parce que tout, tout à fait, tout à fait. Je me rappelle bien. Et, ceux qui ne nous ont pas cru, on a repris ça. Oui, bien on, sûr. On a doublé, on a repris l'année qui venait. Bien sûr. On a tapé encore. Maintenant, après l'année qui, revenait, la diaspora euh, du Niger au Bénin, ont fait appel. J'étais parti là-bas, j'ai fait un guichet fermé, à, plein à craquer. C'était quoi déjà le, premier album C'était Tobay Le album, c'était Rap Conscient. Rap Conscient Tobay. Un album de combien de titres Un album de 10 titres. On peut avoir quelques titres déjà. On a eu Ma, on a eu Tobay. Et puis, euh, On a eu Ma, il y avait Tobay, il y avait Rap Conscient. Rap Conscient. Ouais, il y avait. Euh, euh, beaucoup de sons et je ne ouais, me rappelle plus parce que c'est passé. Quoi. Bien sûr, voilà. Ouais. En dehors donc de cet album, est-ce qu'on peut déjà avoir euh, un autre album Il y album Yarda. Yarda. Yelelelele. Ah, Yarda si falara. Abina kani wanoga ni bina kani wanoga irba kasina moro. Le troisième album. Oui carrément commercialisé Sabon okay. Solo qui n'est pas sur ouais, les plateformes de téléchargement qui était sorti clé. sur clé USB uh -huh. qui était vendu trois albums okay. et, et, et, une mixtape, D'accord. des projets en cours oui, beaucoup de projets en cours euh, dans. Des projets euh, euh, internationaux Il y, a, des projets internationaux en cours. on fait partie des, Voix X Sahel on représente, moi je représente le Niger. Le Niger X Sahel hein? Voix X du Sahel. Il y a les Talbi, il y a Zena du Tchad, il y a, Awa de Mali et, beaucoup des artistes qui se sont réunis autour d'un projet, projet mhm. pour faire une tournée internationale Ou bientôt nous serons à Paris pour l'Afrique 2020 et présenter euh, le Niger, Inch'Allah, euh, dans le ah. cadre de ces projets. Parce ah, que si si n'est pas nous, c'est qui Il a personne. Il <laughs> nous sommes donc pratiquement à la fond de cette euh, rubrique. C'est une rubrique consacrée bien évidemment à l'art et à ceux qui le pratiquent. Alors, est-ce que tu as un message à l'endroit des artistes nigérians Le message que j'ai aux artistes nigériens, mes collègues, il faut savoir comment gérer votre business. Ne, ne vous basez pas surtout sur seulement la musique, sur les invitations. Si vous vous basez sur seulement la musique, je vous jure, il y aura drap. Mesdames et messieurs, Daré était de la partie. Les humains étaient de l'autre côté. La machine de ce côté, sur ces positivement. Et. À l'instant T, c'était l'artiste s'exprime sur l'émission Tous ceux à la Fada. Vous venez de nous prendre en cours, Lady and Gentlemen. Vous pouvez participer à ces échanges en envoyant vos questions et vos commentaires au 80 06 88 54. Vous pouvez également recevoir tout le contenu en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Vous êtes donc sur Salafada en compagnie de Mr. Léo Razaka, animateur journaliste sur la Bari TV, web ben, influenceur, Burku Neroko, Matkandani Mission bon. Vous êtes aussi avec euh, Samira. Je l'appelle Sam Baby parce que Fada Sanino, et vous êtes avec la Miss Awa, Awa, bien évidemment, présentatrice de Wode philippe nous là parlons maintenant de conséquences dans la gestion alimentaire cher invités. selon l'annuaire 2020 du conseil supérieur de la communication csc l'instance de régulation des médias nigériens il existe environ 40 structures socio-professionnelles dans le secteur alors que font-elles pour améliorer l'exercice de la profession

im kai gindan na alhakora zam go kan nugo te irga bai ka go te nugo wani nugo eske ni bai gi da nan kan burfo tunde agogen defender irin su tucer sai ku ne fa da sanai kin sai ku kan gonu sai ni ma chifa. fa zama bon zan ne woti qui doivent nous défendre ou pas nous saccager défendre mais pas pour nous saccager quand même <laughs> normalement Oui, ils doivent nous défendre pas nous saccager c'est vrai c'est tous voilà zim gokuno ici kan kan desse ton tonir gora wala ay her hunde tawi e billahi woni gay kabu e sinde hundi mo handin handin ir tabi fa <laughs> to so irma hemere ego o probleme ka sanga misal ga problem zongunda afa hmm. na fam il faut que irmi ce ci bonza yan perspective yan no da de kan di siga ce tir siru ima ma ce tir bonse on not non di walla azimu e garage yuri lopi ambulance non e hech gongo no churobi hokota 404 na double jo tupapu wara wara wara vepe <laughs> vepe to wallahi ke iro kan rigba sonde il albere mm. parce que ni bay gol kulaga ni gonda albere yan mm. to ir albere da ir albera mm. Comme kango albene euh, altes douang senega king du 227 président oh toi. oh oga kota kota oga kota kota oh, oh ganda ganda no ko hala bene sommet de la pyramide oh, voilà oh parce que le agogo bori e bori to dan to kulu agatemo songu agatemo songu ato <laughs> ato lallai irsiwa dai kala im tonton dai irzo tagagina zoto oh, da iro iro mtunde parce que ni boy hum. barke Allah dai sun da zoto a <laughs> ah, cite a cite zamu journalist presente yan telara wallahi ba kwai woki gi nomo as vestis follonde hando me ame banando wallahi walla a to mo bai kan da mun ta a mun ta gara mun dai go gara fa mun ta bai du buci za kwai go ka daga hawau ai bai tonton hanni to oh. ga question o kan ai poser ne c'est dingue de que ti tonton yo kan ga ba ne mate comment jugez vous vos emplois dans les médias place sur place ay gi be ko ne gado ba no reprendre to ay gi bay mi kanu structure woyta ta tá, tá, din kan ah, ne go ne bo d'accord rodum bono ban misala ingi bon ne bay mi tonto yirmu koy razak sannuga to oh, ina aran defende no wal matano oli ina aran sakajen il wozirka journaliste mo mon dora dir gamba yigine convention collective kan tsaka dano ki himga kan bu da kaga hmm. kan gana journaliste banan do mutun imi goygine da ifondara mm. kan gina imi ga gote an bori amma hal kason tiradin bor kusi bai ifono go gagayi ifono ni tira tafar amsi amsi to kwara agoku agoku tira fora kan, akusa aha boren ne kan asi hanse mm. ai wo bai gudo go ra bor fo kan kaka di mat kan girgo goida anai sai wo ga mil ba halaran wo aram goyora masal sinu zamai mun bai gidi nan kan aran tun aran bon sai dai ga wongo gane ya sigati ani amma da gota fo imana gumbat kan goga galgal da ne sen wani problem a shi adam ibne aran no dubur fo masala tunara muzur kwara mune yano asigiti hmm. aran no da ifo taram zur kwaram ne yano amante ifo sai kan aran bumbo su kai garan alhakai cici wiza dubur diyaran borga mil ba te wiza na manaran kai ni foga to ifo no aran siga ina ina aran kottano walmo ifo no karan sigara la kai cici ko cha ko ta keri kari ngailala desimbere aikati kati kalde bena ukati bena miri kam woni oh. bay ay ka ay ka hali hali hali continue memo ine kan lalle irno gati champion ay kanga di boray sey mdu ngai ala kay irmo begi di cer sey mdu ala kay to may gano talogo a irgana go gina a ah, to ah, to ai question wa ni tanaga wa wa me Samira do Samira comment jugez-vous vos emplois dans les médias sur place si rassurant est-ce que des perspectives d'évolution de carrière existent-ils si oui lesquelles si précaire qu'est-ce qui explique cette précarité alors que des avantages réels existent comme cela a été évoqué en première partie de l'émission Samira ni Sénégal ni euh, Noka ni Nirga <laughs> Le truc, c'est que les jeunes ne s'entraident pas dans le milieu du journalisme. Tu peux venir, euh, toi, Dondi, tu vas m'approcher pour un projet. Mhm. Je ne vais pas te dire où sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour gagner de l'argent, un truc de ce genre. Mhm. Moi, je veux voir que j'aurais pu trouver cette idée-là. Mhm. Donc, je vais essayer de me retirer, aller faire quelque chose de similaire dans une autre télé ou bien dans une autre radio. Et tu vois, là, là, ça, ça nous bloque. Et aussi, et nos supérieurs. Mhm. Avant même d'arriver au président, un truc de ce genre, il faut que nos supérieurs hiérarchiques changent aussi de mentalité. qui mhm. Qu'ils ne voient pas que tu peux avoir un problème personnel entre toi et ton boss et ça va de, ça va porter préjudice sur ton ah, travail. Eh, ça gobo me. Eh voilà chef wa angan fa. Gumu goumou, acton il se va confier ni c'est des reportages du travail un travail à faire un truc comme ça. Et ça ce n'est vraiment pas bien, il faut qu'il change de mentalité pour que Goyom Dourtier mmh. samira ba to kadarin bo anen gome dera to sanno ba nama alanga moton to ane kwanda yanda wadi mora kwanda yanda wadi ziski nara hauno gufuru ai wagi dare cham kam tese kota keri so ngai la la dresse embere ai kati kati kalde benairi ye baba ye baba ye baba nazamu on kiffe et tout de suite la suite da digi tanta balamagobiri. gobiri pinkini ina figi fonda bindi bi kwakwata galala amma aina sigi ai Bora kolokani yiribe yiribi mo nadi sanga ina fitiga kazima modigi asima tari kot kot kota keri ayi bongo feri sanga ina ya ya singiri C'est cette chanson de Mr Daré qui va donc accueillir Mr Olivier pour la chronique de l'émission Tous à la Fada. Et Olivier, la machine et les humains te souhaitent la bienvenue. De quoi parle le texte Amis de la Fada, bonsoir très heureux de vous retrouver. Hier, je parlais du handicap. Et j'en ai parlé aussi de l'handicap visible et invisible. Je me suis même allé à donner quelques exemples d'handicap invisible. Selon mes recherches, je suis tombé sur une explication des handicaps ou bien des différents types d'handicap invisibles. Une explication de Dr Claudel Noubissi que je partage avec vous ce soir. Selon Dr Claudel Noubissi, le plus gros handicap est celui de vouloir défendre des personnes handicapées. Car selon lui, vous ne pouvez pas être handicapé et vouloir défendre les personnes handicapées. Il conclut en disant que vous êtes en train de faire un déni vis-à-vis de votre propre handicap. Selon lui, il faut savoir qu'il y a deux choses qu'il ne faut jamais faire. Selon Dr Claudel Noubissi, il ne faut pas surtraiter les personnes qui sont handicapées il ne faut pas sous-traiter les personnes qui sont handicapées également. Cela signifie que lorsque quelqu'un est victime de handicap et que vous lui facilitez la tâche tout le temps, vous passez du moment à le plaindre. La personne commence à matérialiser de manière beaucoup plus profonde son handicap. Elle commence alors à avoir des frustrations encore plus profondes parce que on est en train de lui démontrer qu'elle est différente des autres. Le contraire, selon lui, est aussi vérifié. Si vous avez quelqu'un qui est handicapé et que vous lui montrez que vous vous en foutez d'elle, que vous ne la prenez pas en compte elles vont se dire qu'elles sont exclues de la société. Cela amplifiera le handicap, les frustrations. Cela peut pousser à la dépression qui est la porte ouverte vers le suicide. Il faut donc éviter de surtraiter ou de sous-traiter les personnes handicapées. C'est la fin de la chronique de ce soir, dans l'espoir que cette chronique vous donnera beaucoup plus de sagesse et aussi beaucoup plus de connaissances pour traiter les personnes handicapées. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. À l'instant T, c'était Olivier. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. à la Fada consacrée à la jeunesse nigérienne. Dernière partie de l'émission. Le thème qui nous renie aujourd'hui est les jeunes dans les médias. Quelles contraintes et perspectives dans l'exercice du métier. Nous sommes avec Léo Razak, mesdames et messieurs, pour rappel. Il est journaliste animateur. Nous sommes avec Samira, elle est journaliste animatrice. Nous sommes avec Hawa où elle est journaliste. Présentatrice. Son irto, vep, il est de Chabuyanto Sukutuga Mode à

donc soni siba kalim matakan comparaison to ai wagi vraiment classico bay oh. trésor ibn gay nous hmm. sommes nous sommes woni matanagi wallahi ai eh, okay diyan waga son nan kan hay kato iwo kan internet to bon hamfoyan ah, agingu furo kan classico bon oh, parce que euh, ana sari gani kande accessibilité sani be mo kul kan ginga du wasira mo wasura uh, wasu wasura uh, donc asin tiagal ga to wan kan gol ga bato mm. o kan uh, sonni di o me sonni di day go go di comme se inga no di comme ni kan a marga fogon ki go te yare di comme nay samba lalle telefo mo ninga bora samba to aiwo aigo no din bon aigin tan kan shi ne direct stadir mm. wodin seno igin sha yanzu ah, magani yanzu lalle oh. ce kayan tabon a se mu igin ne kai tsaye mm. an direct no hala go ko ga mon te ga hal moru rodes ginga ko ga ban ka ni der ben bora kan go sigro ne banda zaga kuma sun go iruwar banda wodi raran godu na fa go garan bana matkigi tele ce zambar waran zagi no wana yanzu to ken go me tele sauf que tele wana mon mantin zibara na go ko me eh, me bani bun samira hankan lewara zak ci ga kaina zan lokaci kaina no go mission go bon ara se ma ba kaina 35 minutes d'émission no mat selon vous comment rendre votre profession plus résiliente afin qu'ils tiennent la route à cette ère des nouvelles technologies de la communication parce que tu communiques aussi sur les réseaux sociaux. Exactement, je communique sur les réseaux sociaux et je suis journaliste numérique. on est professionnalisé dans le fait de partager des informations sur les réseaux sociaux et sur les sites internet. En temps réel En temps réel on peut programmer aussi euh, des émissions. Par exemple, ton émission Tous à la Fada, je peux la programmer aujourd'hui pour qu'elle passe le dimanche sans que je sois là. Donc, tu vois, c'est ça l'évolution avec la technologie. Tu peux tout faire de la maison et balancer partout. Et tu peux programmer aller dormir deux jours tranquilles et tu n'as aucun souci. Du coup, c'est ça l'avantage euh, de, de, la nouvelle technologie. Comparativement à la télé où tu peux rater une émission, on te dit la rediffusion c'est demain et demain tu dors ou bien tu dois faire quelque chose. Mais sur les réseaux sociaux, tu peux la retrouver même quand c'est passé. Tu, dès que tu mets ah, le nom, le lien, hmm. tu retournes voir euh, l'émission que tu as ratée ou bien le programme raté. Donc c'est ça l'avantage. En fait, normalement, Big D, Dondi, euh, vous savez de quoi je parle. Normalement, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, euh,

godu hankango ni binara era modu solution ya ifo de ifo no ni ginge proposer se pour que journaliste et animateur et homme et femme de media ngemo e ma bafu ne dai to hankan gane im ah. ba ne e mu za daga bori bora kun tungate a fama gane boro nongo filan nago boro nongo filan nago mat kan aran ga wani ko gane borfo wana sikte waye ga kai garan wana hansaran borse bora e din kan aran go gide fan be kula aran gani wana sikte isi tunga ka garan wana tefa mm. journalism goyno kan gabori aran no gabori labarin da aran gabori bon ay feri goyno kan gabori e for kayne fono bora kul dan gin borai mo im borai dan da fonda hannera kan gane im goyote aran modi na aran no goygina ina aran no haya kul kai garin gote an buri din dai gini borai kai fam wala don ton ta e fono sarayo fonda no ay fonda afa sangai bai mu ko ay nya bero ay babanya iryana er dabadi chortarai kangirna dabadi chardarai asanda fusaini sital masitima hare masitima jaw dabu yanka mainoga commissaire journaliste d'animateur de homme de média mubu neno machino ganda boreginaran se haza wassalam irban kalihinonoya hey